vendredi 4 octobre 2024, chers auditrices et auditeurs. Bienvenue dans ce dernier rendez-vous de la semaine de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires et en streaming sur notre site www.studiocalangou.org. Je suis le Top et à mes côtés, Ali Moukele Ouseni alias Seno. Bonjour Seno, comment ça va Je vais bien, Ruki. Et de ton côté, ça va Ça va très bien. Super. Alors, à la régie, euh, la technique est assurée par Amina Hassan. Et de l'autre côté de l'édition, c'est Moussa Hassan qui assure. Vous aurez dans cette émission le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, l'écho des régions, le sport, le loti, de la musique 100% nigérienne et comme chaque vendredi, vous suivrez avec nous la revue de presse. Eh bien, Ruki, dans la partie invité, nous recevons l'artiste Eldam Sero, il est chanteur. Et il va sortir, euh, il va effectuer le vernissage de son album qui se tiendra demain 5 octobre. Chers auditeurs, voici le flash d'information présenté par Asumana China. Bonjour China. Bonjour Kaya, bonjour Seno, bonjour à tous. La ville de Niamey dispose désormais d'une plateforme digitale dénommée Nane Yarda. Cette plateforme, dont le lancement a eu lieu hier, va permettre la digitalisation du recensement des contribuables avec une géolocalisation où qu'ils se trouvent sur le territoire de la ville de Niamey. Elle permettra aussi de déterminer la matière imposable et de procéder à l'édification du citoyen sur les services municipaux procédures, frais et leur montant. Le coordinateur de la cellule de mobilisation des ressources de la ville de Niamey, Dr Hassimi Haruna, a fait savoir que ce lancement s'inscrit dans la droite ligne de l'amélioration de la qualité des services publics municipaux que les autorités municipales de la ville de Niamey sont chargées d'offrir aux concitoyens de manière efficace et efficiente. Niamey abrite depuis hier les travaux de l'atelier de dissémination des résultats de la quatrième phase de l'enquête de suivi des indicateurs de la planification familiale. C'est l'Institut national de la statistique et le ministère en charge de la santé publique en collaboration avec d'autres partenaires et vraiment dans le secteur qui ont organisé cet atelier. Cette phase, tout comme les trois précédentes, a concerné la population résidant dans les ménages sélectionnés en général et les femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans en particulier. Elle a également concerné les sites de prestations de santé. Les résultats issus de cette enquête contribueront à mettre en lumière la situation de la planification familiale au Niger et seront utilisés comme instrument de plaidoyer par les partenaires du domaine. Ils vont également servir de boussole au gouvernement pour la formulation et l'évaluation des politiques et programmes en matière de planification familiale. La campagne de dépistage de l'hépatite B chez les femmes enceintes a été lancée officiellement hier 3 septembre 2020 le 3 octobre 2024 au CCI donc au, au de la région de Niamey. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre les hépatites 2024 sous le thème principal Il est temps d'agir. L'objectif global visé est de contribuer à la réduction de la transmission du, virus des hépatites euh, virales B et C au Niger et plus spécifiquement d'assurer la mobilisation sociale et le dépistage chez les femmes enceintes autour du site de lancement et enfin sensibiliser la population sur l'importance du dépistage. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci infiniment, China. À bientôt. Chers auditeurs, nous l'annonçons euh, tantôt à l'entame de cette édition. L'invité du jour est El Damsero. Il est artiste, chanteur. Bonjour El Damsero. Oui, bonjour nous. Bienvenue dans l'émission Le Niger sur Kalangou. Avec vous, nous allons parler de, du vernissage de votre album qui se tiendra demain 5 octobre, Richard. Oui, c'est non, mais avant d'attaquer nos échanges avec vous, euh, Eldem Cero, euh, à tout seigneur, tout honneur, euh, nous allons écouter d'abord l'un de vos titres. C'est parti avec Maman. Boke sabbin gaibi ni mamma Fami wata masha Allah heba webe an woyam webe an kam Bini on boyam Kuni webe on jirayam gal ɗon nder duniya min bauta yoɓude ɗon koni bimi lam do bawɗo El Damsero. <laughs> Ruki, tu as aimé le son euh, Oui, j'ai aimé. Ah Bien que je ne comprends pas ce qu'il dit. Ah, il chante en <laughs> langue peul. Je suis sûr et certain que tous nos frères euh, qui sont de l'autre côté euh, de Torodi, qui sont de l'autre côté euh, de Koni, certainement ils sont en train de, de nous suivre en direct et eux quand même ils ont compris le message qui est dans, ce, dans cette chanson, nest il va nous expliquer, voilà, comme euh, Ruki n'a pas bien compris, Eldam ifono Ging Famandirse, il faut non gogichi donora. Zamorukene Fulantin Rano inga man Faham. Bon, Donodei, Ayakai Guchara, et Aigu Ngware, parce que on croit, Igeni Aikuno Ba, Irku Ngware quoi. Donc, Ning Irku Ngware, Abandamu Kaldei, Burnyakana Burai. Donc, burahi Nduma, on abda Askanganda, Nyaduao. Mm. to donc iro surtout bi non kun fonde kar kandu mara irgo wati kuborgo waray din jinga ndin ware ɗum ban ni min ni mu imtan si duwaw donc i songo aya kam magas inti bumbu bumbu ay won concert kon eti 13 mai mannan wodi magasin inti zama kangi na songo din te kulu danga aidu e kaina concert on te kulu aidu masala en kaina fu to kulu juru fo ay koy habu gran marché kule sabanda dutti fu kangu deke manga matala habu habe oh. din ki tin ki dan hayran oh. san kul ane ci kul ane se ainun furun tibi pena se wiwi kula goni se to ane hun kune kan burgo guti an dunyara ane bar bar mutir ko ngare hmm. kul ane se to din koy fu nimti e sikir da bin amma nimin e nimin nya ci jina nimi ci ase kan burfunu nin gayi ganin se nimti sarge wani hmm. ane se ai izo ani ani sini gonda avenir donra gumu mm. ani me bore woni bandi ani to irku ngwara am sib ani ma chini nas am tan si mashallah ora ikwen <laughs> ok alors adam sero ni hankano ni chido nora songo mm. album mo bon zama album oui, bien sûr 5 octobre mo album mo no université nagiti donc tirsi il faut nous nous ifunoni sola albomora sanda wasika funoni samba ni wani fane do albombora to wallahi albombo dai ni ma titu ni miyeti allah hmm. miyeti allah wo eh, adi miyeti allah eh, aini sabu oh wala danga raison pour laquelle aina ain dang din dan albombo sebumbu hmm. ne bai ayo kai ne sintin ay hinne no ay go buri no mm. halaga ka hunkuru mo ay gingana yaadi no mais hunkuna alhamdulillah mm. no ci ba ay sinti nde doni fo ay tigi chez fermi a fo kay noa oh. i hinkanta e album bura a gonda non kangay ne e de ay koy gon gunda yaji zambar ikande yaji zambar way mm. ne be ay kul zaram senni mo han fo en zaram senni mo bana man ti zaram zaram es de ginga ma zaram senni fo nduma kangay tun newo mantine no ay sintinga jama cendi doni fulon kangay te gana na ay sintinga ay hinne no koy ay sintin kare boreng hmm. donc ay wana public ko no neni ko wodi maga sinu ayna album bodin dan miyeti allah miyeti mi yetti alla ay fono te mi yetti miyeti allah miyeti allah ayn ir koy sabu ayn ir koy sabu to ir di day eldam sero aran do ne ra sanga ir wanci nay no aranga dangine ir ga bayram bay wan wan fulanci no la irga bayrin bai fo se naran na sang som karan do nay fulanci naran gite to ayn sang sambu zama ay langono mhm. aiki nanu e eh, aigo dimo kan new niger asi bagumo imine idi fulan yiza kan man ta asi bagumo bono lokaci dun asinu bono danga zanken de jen kan godo fulan sani to ai mana iya ai bun bon sai halka sama gin ai hayre no ne for forse gane sai ai miti ai langora mm. donc euh, wato da ti doni hinza itaci inga dai no a sigite da mai gonkuro da sigi bai ikon ta ido nera mm. me a to gane sai miti fulan sanni ai primi dono kan yi sintingite fulan sanni inga no nan asintin cartonné. Titre fononi kingi cirse titre kanu. No ti pullo debo. Pullo debo. Oui. Oh, pullo debo ayik be kan kunu borbo bugo ga hangan. Bien sûr. Oh, ate jir margi tina kanin katere. Pullo debo to 2000 2019-20. Oh, 2019. 2019-2020. Hmm, euh, oui. Mm. Arang hingdo no sombir se kaina. Oh, ken fo. <laughs> <laughs> Ey Fatima dai Fatima Fatima umanam Fatima dai Fatima abanodi kam dai Obi okata kam pullo hai pullo dai pullo de bana veri kam Mino yidi mai anta nijimi nai ay fulɓe nangene kam ellam sero salminiɗon walliniɗon mi ñalliniɗon a mi ñalliniɗo anani pullo ananino anani debbo ananino anani pullo mi yiɗima ani yiɗi kam mini ma abba sali kam anani pullo salmini salminiɗon Machallah. Merci. On applaudit très, très fort pour lui. <laughs> Donc, avant de continuer avec vous, nous allons marquer une pause pour suivre la revue de presse présentée par Fika Taher. Bonjour, Rafika. Alors, euh, déstabilisation des pays de l'AES, le ministre d'État et de l'Intérieur invite à la mobilisation, rapporte l'ANP le mardi 1er octobre. En effet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, dans un message publié le lundi 30 septembre, a invité les populations à la mobilisation afin de contrer ceux qui la appeler les désirs de déstabilisation des pays de l'Alliance des États du Sahel. Dans le message, le ministre Toumba a rappelé que le Niger a remporté différentes victoires sur les impérialistes et leurs valets locaux grâce à l'engagement de toutes les filles et tous et tous les filles du Niger. Le ministre de l'État a relevé qu'il est clairement admis que la conquête de la souveraineté du Niger et de l'espace de la Confédération sonnera le glas de la carte géopolitique jusqu'à là établie tout en reconnaissant que ce combat est loin d'être terminé. Au regard des enjeux de survie qu'il représente pour les ennemis. Ces derniers, a poursuivi le ministre de l'Intérieur, en changé de stratégie de déstabilisation en instaurant une psychose dans les grandes agglomérations de l'AES, comme fut le, récemment le cas du Burkina Faso et du Mali. Le ministre de l'Intérieur appelle alors à la vigilance de toutes les citoyennes et de tous les citoyens pour dénoncer tout comportement suspect et collaborer avec les chefs traditionnels, les leaders religieux, les autorités administratives, la société civile et les forces de défense et de sécurité. Alors, euh, lutte contre la criminalité à Niamey, cinq euh, bandes de, malfaiteurs démantelées avec euh, des interpellations d'individus, dont une femme et trois étrangers. Selon Actu Niger, mercredi, 2 octobre. Oui, c'est nous. La direction de la police judiciaire de Niamey a démantelé récemment cinq bandes de malfaiteurs engagés dans divers délits allant des vols de nuit aux fraudes par fausse monnaie. Ces opérations ont permis d'interpeller des individus âgés de 18 à 55 ans, incluant une femme et trois étrangers, rapporte Actu Niger. La première bande composée de huit individus de huit individus a été interpellé à la suite d'une enquête sur un vol avec violence près de la ceinture verte de Niamey. Cette organisation a commis des agressions violentes pour dérober les biens de leurs victimes. La deuxième bande composée de trois individus s'est spécialisée dans les vols à l'intérieur de véhicules mal garés autour du marché Wadata et d'Ekogar. Grâce à l'interpellation du receleur, la police a récupéré 32 téléphones. Une troisième bande constituée de trois malfaiteurs est accusé d'attaque à main armée la nuit. La quatrième bande composée de cinq individus a également été interpellée pour plusieurs cas de vol avec violence utilisant des engins motorisés pour cibler leurs victimes. Enfin, la dernière bande est un réseau international de faussaires démantelé grâce à des informations fournies par la population. Ces criminels proposaient des faux billets à des personnes naïves leur promettant des gains faciles. Lors des perquisitions menées à la résidence, à leur résidence, la police a saisi divers équipements utilisés pour la fabrication de faux billets, comprenant un appareil de détection de faux billets, un testeur de mesure d'électricité. Parlons des inondations au Niger. Dans cette revue, la sous-administratrice adjointe du Bureau d'aide humanitaire de l'USAID annonce une aide de 2 millions de dollars, écrit l'ANP du lundi 30 septembre. La sous-administratrice administratrice adjointe de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, Jacqueline Moutsoua en visite de travail à Niamey du 25 au 28 septembre 2024, a annoncé une aide d'un million de dollars au profit des personnes touchées par les inondations dans le pays, rapporte un communiqué de l'ambassade des États-Unis au Niger publié le lundi 30 septembre. Jacqueline Mutsuwa a rencontré le personnel de l'USAID avec qui elle a discuter des priorités de l'agence ainsi que les partenaires de développement et humanitaire, indique le communiqué qui précise que cette visite souligne aussi l'engagement du gouvernement des États-Unis à collaborer sur des objectifs communs au Niger. Et voilà pour la revue de cette semaine. Merci infiniment. À la semaine prochaine. C'était la revue euh, de la presse, chers auditeurs. Euh, Retour au studio avec euh, notre invité du jour. Il s'agit bien de l'artiste El Damsero qui est avec nous dans ce studio. Alors, mm. El Damsero, en tant qu'artiste engagé, comment percevez-vous l'évolution de la musique nigérienne, en particulier en matière de promotion de l'identité culturelle Eric Bekan, Aro, artiste no di Niger wana go to wallahi iru iru niwo iro irdoni kaydey aywo kaŋey be i bonse ay hinga ni niwo e doni kai me ami kan niwo eh, ni be bore ngunu kan yin iguna talan gumu i go wana kul me tanki man tiniga gemo stratégie beno walla matkan gonda matkul kan gonda da talan wallahi asti mm. asti mm. asite parce que on connaît mi c'est ni cela kanga gemo bay am kebense dino wala c'est zama godi kan yeah. oui oui parce que ngani suba concert wala mm. ni bemo igi donc agi se tabi gudi donc tu vois un peu se aga madori quoi yari nga artiste se jersey jerse matkan asiba asiba mm. asiba gomo hunkuno singru mm. mais ina na mezo te jini ni te jini ni kini asti hay kudinga lokaci no mm. el damsero yar er di karan music aran goga kwanda ir niger na mai na mna mai digini to ara wani album bukan kan si ne miyete allara na mna mfoyen no aran da ngara. eh china wala on china Ok. to deja fulan senno ibe de kai kana en album de fulan senno gara to ai ti fulan senara a yi da man faransiyara ka yi nufo nga mu purki bare mi dugu bai ifo bonno parfois ifo bonna mm. donc zarm gara hu mu gara ka mis nufo mi oui yar nga hino ni lamba langay kulga ken kena <laughs> sanga chine ga ni lambi kulga ken kena oui, ok to el sero songo aro a tant que artiste évoluant dans le paysage musical quelles sont selon vous les plus grandes difficultés rencontrées par les artistes nigériens nkuna niger artiste yi tabi fudumano igogidi zamani mbo artiste no tout mhm. hmm. to tabo kilo irgogidi aigi ngini nsekan et eh, a travers euh, ayo yunkundin gonda danga im baka da wakan himan da doka kan himan imgana bu mm. doka da wani baka talai danga dingon da ba evenement da imine bore min bore min soutenir mm. wala mu imin sponsorize inga deno dan imin soutenir de mm. wallahi inga bonu farka halka son ko ni senno kan ki deno demman tiniga strategie be ni ku disino on ko da wagi ni sai ai neo manti ay goge bon sifano me ai wai wana ai wana eh, carrière ora ai gi hingani kan ai stilo ai no kan dai bon si ai stilo ay hinno ay ra donc aigo fatamu borai go di trailer bira kan aigo te me ne o dai timan tas tino me hun kun dai tunai bon sene ko sponsor ke bon so life di ne guna ine guna dai kaine ngo kuli seno ah, ah. ai su ifu ke mu guna danga bor kan gemu be kan gwa haifur am furgine magar a travers inga imenu ai mu dai donc kunkulimo bani wani bani wani guini gwana yakul halin sinda bor kan gemu be wallahi ne o ne o ne o ni jarne ne wallahi ni sa ni su koy nun Mm. to eldam sero ara wando ndo naira ara baiga sangaran kela artist fo burnye am karam kam dan kerkan baraga doni katare wala baran mana taran gwanda uh, aniya aniya mm. wallahi agonu agonu zama aiwa aiwana aiwana problem fitrin go kan iti da da dare nu hmm. dare burmu nu kan aibur hannu ka ay bor na nono zama hari kulkan gu music harkara daina ha ga cese kalde da bai donc burakan ai jinga e borakan jinga ha harka mante su ge windi windi windi windi windi harka mante après ay debga dare cici ay toga cici mono accepte si inda inda inda inda wono premier fitringo mm. new nigero to songo ni salam artiste yi dai sponsorai kan gaksine bobu sino son gi cirse sanga niger wana publico bure kang fane no kang musico hangan eske fane mo igo katinge kambo ko karo nge mo isi kandi hangande no furinge muradra wallahi fane go ko kai mm. ina da mai zikul kan bani da debin fu barkan ce bin se vaccine bini e vaccine rabini mm. aga bisa bun barkan ginno gindede mm. donc ay wagi nganin kun fane yin gun kayin gidi place hal hal nungu fuin imka aido imi yenge kaga didin im samu foto de borago dira agi hin kabu ay kangte 30 million 20 mil am kun kun am dan kambara mashallah donc kun ba wodi mante bor kan déplacer adir ciega wala ma sambu mota kaga dini wo bere kulma bisoni kun bor mu ngwar ina na mezi zewu imbani hmm. hal ba igin gomni jina hmm. parce que bor kan gin gomni gin dede wala bor kan gin gomni zamani goni hinne se dindira irin wannan kul vo mi amin sun gomna ka bisa me wa ifana aine ne ba yayi e wa ifana wallahi gote alhamdulillah mashallah aine ifono ni gingi cise ni fane kango gin hangan nkuna uh, studio uh, eh, gindabo ya kalangu studio kalangu gindabo ai kan ai gingi chise dai kan vraiment ai go sabisi gumu gumu gumu irko demi bana irko mirna kersi inde kul e halga kason mu album bora a doni kan ti isi wadi inde wannan insha Allah madir ko talayar da suba danga mm. igdi mamaci da irko nir turare bani inge dinge bum igma kani ban sma fulan sinin mo de dini woni woni fane a travers bitto ni wallahi c'est yes suba guru suba concert c'est université problème fo sino terengazo nir nyola ir <laughs> ah, ah, hmm. merci infiniment el damsero ir sombu euh, fulan zam kaina on prend une petite pause et on revient juste après Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs de notre rubrique hebdomadaire qui est consacrée aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Nous allons à la rencontre de Madame Agaïssa Leila Moussa. Elle est promotrice des tisanes Lipton Lahia, des tisanes qu'elle fabrique avec des ingrédients locaux comme le gingembre, les feuilles de manioc, le bissap et bien d'autres. Et oui, Madame euh, Agaïssa Leila Moussa, que nous recevons en direct euh, euh, dans le Niger sur Kalangou depuis le centre de conférence Matma Madame Agesha, bonjour. Aïe, aïe, aïe, un petit souci hein. avec oh. la ligne. On va, on va aller en musique, on va souffler en, musique en attendant que la ligne puisse se rétablir. Alors, on va aller directement. Euh, avec Anine Keina. Anine Keina, voilà. De Fatima Diko en collaboration avec euh, C'est parti. je le disais euh, tantôt euh, dans notre rubrique hebdomadaire qui sera consacrée aujourd'hui à l'entrepreneuriat, nous allons à la rencontre de Madame Agaïssa Leila Moussa. Elle est en ligne avec nous, n'est-ce pas eh Oui, euh, il y a la régie qui nous a signalé tout à l'heure que cette fois-ci, la ligne a été établie, je crois bien. On peut aller Voilà, je pense que ça va maintenant. Madame Agaïssa, bonjour. Allô, bonjour, Madame Agaïssa Bonjour, comment allez-vous oh, Ça va bien, Alhamdulillah. Et de votre côté Ça se passe bien de l'autre côté de Mahatma Gandhi Oui, ça va, ça se passe bien. Alors, merci. Présentez-nous euh, votre entreprise euh, Lipton Alafia, c'est ça J'ai bien prononcé le, nom Oui, mais mon entreprise c'est Lahia Ojiki. Donc c'est le slogan quoi. Ah ok, c'est le slogan. la productrice D'accord. Je rappelle que Madame euh, Agesha, elle est avec nous en direct depuis euh, euh, le centre de conférence Mahatma Gandhi. Ruki Oui. bonjour Madame. Bonjour. Et on aimerait bien savoir d'où vous est venue l'idée de, de création de ces tisanes-là. D'accord avant, je veux saluer tous ceux qui sont en train de nous écouter en islam en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Euh, l'idée m'est venue depuis euh, l'événement, euh, comment on appelle, le fait qu'on a fait partir les Blancs après que les Blancs étaient partis, partout quand on part dans les pharmacies, il y a des produits qu'on cherche, on ne trouve pas. On peut faire 5 à 6 pharmacies sans trouver le produit dont on cherche. OK. Je me suis dit qu'en tant que musulman, notre terre, Dieu nous a doté vraiment de tout ce qu'il nous faut dans la nature. Ici au Niger, on a des arbres, on a des herbes, on a des plantes. On n'a vraiment pas toujours besoin des comprimés des sérums et autres. On peut toujours utiliser ce que la nature nous a doté. Donc, et surtout que à mon âge, euh, à mon jeune âge, j'ai eu la chance de trouver ma grand-mère. Et quand je partais en vacances chez ma grand-mère, si je tombe malade, en ce temps, elle ne pas de comprimé. Elle vient, elle tombe dans la brousse tout de suite, elle enlève les plantes, elle vient, elle lave, elle pile, elle me donne, je bois. Et vraiment, au bout de deux, trois jours, je suis guéri de la maladie. Et ce n'est pas moi, c'est toute la famille comme ça. Tout celui qui tombe malade, c'est les plantes. On, est guéri par les plantes. Et ça, qu'elles temps. Euh, comment on appelle ça, euh, effet secondaire. Hmm. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas retourner à cette que nos ancêtres mhm. au lieu de continuer toujours à, écouter ce que les Blancs nous disent Voilà euh, comment l'idée m'est venue. Ok, madame, avez-vous des appuis de l'État ou des partenaires Vraiment, je n'ai pas de partenaire. Je suis en train de faire chemin seul. Et, eh. ça se passe comment mhm. Oui ça se passe comment Vous êtes en train de. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes en train de, faire le chemin toute seule. Alors dites-nous, ça se passe comment Bon, en tout cas, euh, en tout cas, ça va. Pour un début, on peut dire que ça va parce que ça fait moins d'un an que je suis sur le terrain. Je fais mes tisanes. C'est vraiment euh, Dieu merci. Mhm. Dieu merci parce que c'est comme on l'a dit, la terre ne ment pas. Quand on se remet à Dieu, on se remet à la terre. Franchement, euh, on, ne sera pas découragé. Mhm. Pourquoi Parce que les plantes sont là, ils sont à bon prix. Il y a des plantes qu'on achète même il y a d'autres qu'on achète, et à bon prix. on arrive à Madame Agaïcha, oui. tout à l'heure vous disiez que vous aviez appris de votre grand-mère. Et à part euh, ce taquis-là, est-ce que vous avez euh, reçu une formation à la matière parce que qui dit plante médicinale, peut-être euh, il faut respecter les dosages. Donc, euh, Effectivement, quand l'idée m'est venue, euh, donc automatiquement j'ai une belle sœur qui, elle a duré, elle faisait la transformation. J'ai été la voix comme déjà moi-même, j'aimais la nature. Et tout le temps, moi, j'ai toujours aimé la nature. Et les tisanes, là, je les faisais toujours, gratuitement. Partout, je suis, quand je fais les tisanes, là, je les donne gratuitement. C'est là où chaque fois, mon fils me dit, mais maman, tu sais faire les tisanes. Pourquoi tu ne fais pas les tisanes Donc, il y a aussi cet aspect-là. Lui aussi, il me dit de faire les tisanes. Donc, déjà, le dosage, je les faisais déjà, je connais le dosage parce que je les faisais, je donnais. Et vous savez, à force de faire quelque chose, on arrive toujours à se corriger euh, et avoir, et avoir en tout cas le bon résultat. Mhm. Donc déjà, je faisais les tisanes, mais je ne les vendais pas. Je buvais, je donnais des, aux amis. maintenant, quand je voulais maintenant faire les tisanes pour vendre, bien que j'ai l'habitude de le faire, je l'ai fait chaque fois et je connais les dosages et autres. Mais quand même, je me suis orientée vers une belle sœur qui, elle, elle faisait la transformation pendant des années. J'étais la voir, on a discuté et puis euh, on a pris une fait un bic, à a Elle m'a dit, tu veux faire quoi Donc ben, je l'expliquais, on notait. Je l'expliquais, on notait. On a noté ce que je voulais faire. Et de là, maintenant, elle m'a expliqué euh, par rapport au dosage, comment je dois procéder. Bon, déjà que c'est quelque chose que je connais. Donc, elle m'a vraiment boosté un peu et puis, m'achallah. Mm Madame Agaïcha. Premier point. Mhm. Maintenant, le deuxième point, euh, il y a aussi euh, Mad in donc euh, qui nous a fait une formation. Et en dehors de ça, il y a aussi le Niger, euh, comment on appelle ça hmm. Bon, <laughs> c'est parti, mais je veux, je veux revenir quand, quand ça me revient, je vais vous dire, pour oh, mhm. les, femmes engagées. Donc les femmes engagées aussi, euh, avec les femmes engagées, on a fait encore une formation. Donc euh, tout ça là, ça m'a permis encore de, vraiment persévérer et de comprendre encore mieux ce que je suis en train de vouloir faire ou ce que je suis en train de faire. Super. Alors Madame Aguesha, quel appel avez-vous à l'endroit des femmes, euh, des jeunes, des autorités et aussi des partenaires Bon, d'abord, me concernant, euh, l'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment de soutenir, tant à, l'endroit de l'État, des ONG et autres, et de soutenir vraiment euh, les femmes qui ont la bonne volonté de faire des créations, de faire des transformations, de les accompagner en formation, les accompagner accompagner en matériel, pourquoi mm. pas Le séchage, il faut vraiment des machines de séchage. Pour broyer, il faut des machines, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'appel que je lance à l'endroit vraiment de, tout ce qu'il y a comme bonne volonté qui peuvent vraiment aider. Et mhm. moi, je suis prête, je vais vraiment commettre, parce que pour l'instant, je suis en train de faire des petites quantités, mais vraiment, si je suis aidée, ça veut dire que si on m'aide, je peux faire même une entreprise, pourquoi pas Une grande entreprise. Mhm. Pour l'instant, l'entreprise est en train de... en si vous voulez. <laughs> si vous voulez. <laughs> Maintenant, le deuxième aspect, à l'endroit des filles que vous avez, les femmes et autres que vous avez dit, uh-huh. vous avez dit là, l'appel que j'ai lancé de ne pas attendre l'État ou d'attendre qu'on est, soit riche. Hmm. Pour faire quelque chose, on peut toujours commencer. Plus important que d'avoir la volonté. Hmm. Quand on a la volonté, on commence vraiment, on peut faire des belles choses. Merci, madame. Oui, mm-hmm. allô Oui. Oui, je vous <laughs> remercie pour votre disponibilité, madame, et on vous souhaite de passer une très belle journée. D'accord, merci. merci. à vous. Merci. Voilà, chers auditeurs, nous allons en reportage des régions et Terra est à l'honneur où les femmes s'organisent en groupement en vue de conjuguer leurs efforts pour pratiquer des activités génératrices de revenus leur permettant de gagner de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Oui, Ruki, c'est le cas des de, courageuses femmes du groupement artisan de Terra. Euh, celle-ci évolue dans la transformation des produits agroalimentaires et cosmétiques. Pour plus d'informations, écoutons l'entretien de Moussa Boukari Kanda et Madame Fatih Souley, présidente du groupement artisan de Terra. Fatsule ifotaran groupement mayo artisan uno te groupement mayo ay not presidento ifot goy kanorang tiara goy gba irg goy bob yente zama transformation agroalimentaire mhm. i bob yo irgi te irgi te dage yo irgi te basiyo irgi dam sigiye te irgo te ba kuskus yo mhm. irgi te bibita borbiye ma ka anwa kayigi mhm. te de hayni aran groupement wo matno cediro aran na sokananda ir gondo kes kete yakine mhm. dangi mine cotisation mhm. wodi yongono kesse goyirse kan alwati ka alwati semaine kulir gin wani réunion ite mhm. ir mira daddalay margu ir da ir kessora kesso dini agono kan agogo we bere murade firmo marjo kul kannono ga ba nakka ima noon seeni mo koyni min murado teeɗi min no alwati kanda toon mi yee kannorode mi kaga yeeti ni kel fo momo dugu sambu koyna fanda jinayo karango bare matuno nere mago teda habera de ner ko nera irgi yakka bar kanga beena kanno jine nera ta gomo bara ga cici foire do bumbo irgi dono ko jine nera to e groupement o goyo aran wodo ifono ta tontono ka kande ron ba funara watodin projet nan ka imin nge ka bore garo imin garo imi ribu da kan bon wat fo no rom bunga wat fo em ko gade almani ze almano mbu am yegin dan kende kende ra kan zurgu windi gnoro ci ci kaga yeti hun kun bin hal ni murado tunu ni problem o de no kande ir uh, jamara irma bonza marje kan naga bani non se ir sidal fallan da kabo nimu ko gin murado te irgin sur ka de han ka han duwa namu kanda na ma yeti hano ka han groupe mo groupe mo ngai e wo irmani sintini we bore ta bo go ba amma han ndi di iri zai ko lokol idala ki konda lokol irgano lokol noru irga bana ir izei dépense ken ken kul kan go ise irgi feeri windo de façon bo mboyri contribuer groupe mo ngi e wo zamanora walla ir murade kul gogte fonoti ceyo kan gonse tera al'umma ceyo kan ay tonan dido hadden din ngi zo gogte kan kwara na gana hala Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Adam Sariou est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Ruki, bonjour Seno. Bonjour. Alors Adam, quelles sont les informations sportives de ce matin eh bien, comme annoncé ici même sur ce plateau, les équipes nationales du MENA continuent leur préparation pour les différentes compétitions engagées. Ce soir, les poulaines de l'entraîneur Badouzaki seront opposées à l'équipe nationale des moins de 20 ans au Centre technique national de la FENIFOOT, ici même à Niamey. Pour rappel, le match aller s'est soldé sur un match nul de 0 but partout sur ce même terrain. Après ce match amical, le MENA national se déplacera le 11 octobre prochain dans la capitale angolaise pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Et le match retour se jouera le 15 octobre à Casablanca au Maroc pour non-homologation du stade général Seni de Niamey. Adam, pour finir, parlons du capitaine de MENA, Alio Aliobale, victime de racisme dans son club. Eh bien, plus de peur que de mal, pour le capitaine du MENA national, victime de racisme, dans son championnat tunisien où il évolue depuis quelques saisons déjà. Balé a répondu par la plus belle de manière aux supporters de son ancien club après son doublé de la saison, son premier doublé de la saison, autant pour moi. Le capitaine du MENA a encore marqué un but cette semaine et amène son compteur de buts à 5. Ballet qu'on retrouvera très prochainement en sélection nationale dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Chers auditeurs, c'est la fin de ce dernier numéro de la semaine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci infiniment, Adam. Euh, à bientôt. On passe euh, au portrait du jour, euh, Ruki. Oui, c'est nous et notre star du jour est né en 1979. Lui, c'est Adamou Suleiman. Il est, il, est titulaire d'un diplôme de mécanique auto et technique générale. Oui, il a posé ses valises à Hambourg, euh, en Allemagne, en 2005, après avoir travaillé un peu dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise de management basée en Allemagne. Depuis près de six ans, il partage avec nous son engagement dans un pays loin du sien. Né en 1979, Adamou Suleiman est titulaire d'un diplôme de mécanique auto et technique générale. Il a posé ses valises à Hambourg, en Allemagne, en 2005. Après avoir occupé plusieurs postes, aujourd'hui il travaille dans une entreprise de management basée en Allemagne depuis près de six ans. Il partage avec nous son engagement dans un pays loin du sien. Puisque euh, il y a plusieurs métiers que les gens font et tant que tu te sens mieux dedans, tu, restes et puis tu cherches à évoluer. Donc euh, le métier me plaît bien puisque euh, j'aime bien faire du business, j'aime bien aussi faire du marketing et ça va dans le sens. Nous sommes une équipe de techniciens qui entretient des machines dans les maisons, dans les park houses. Ici, on les appelle les park c'est-à-dire les maisons dans lesquelles on garde les véhicules. Donc euh, nous nous occupons de la maintenance des appareils, euh, des contrats pour, euh, comment est-ce qu'on appelle, des clients qui nous les, les placent pour l'année parfois ou bien pour le mois. Donc aussi on œuvre aussi dans le sens de la nouvelle technologie. Oui, puisque je ne sais pas en Afrique, mais ici quand même, ils ont développé beaucoup de choses et puis c'est un domaine qui peut être aussi possible en Afrique. Le secteur du management en Allemagne est compétitif et exigeant. Adam Suleiman évoque les défis auxquels il doit faire face. En Allemagne, on rencontre toujours des difficultés, mais il faut être seulement fort pour euh, vraiment euh, résister. Dans un premier temps, il y a la difficulté de la langue. Bon, la difficulté de la peau, ça, on ne peut pas le dire haut, puisque bon, c'est vrai, on s'intègre ici en Allemagne, mais dans, un, dans certains coins, tu le, tu, le remarques, mais je n'accorde pas d'importance à ça. Malgré ces défis, Adamou Suleiman ne perd pas de vue ses racines africaines et il a des projets pour contribuer au développement du continent. Bon, depuis que je suis venu en Allemagne, j'ai un projet propre pour moi. C'est un projet de dons d'habits d'enfants. Et chaque année, euh, je, ici, je ramasse, pas ramasser, oh, je collecte des habits pour enfants que euh, je redistribue aussi une fois quand je serai en vacances à Niamey dans un village. Je ne voudrais pas dénommer le village, mais ils sont contents et, ça me rend aussi heureux. Des projets, j'en ai plein la tête et plein dans mes bagages. Et je préfère les garder pour moi. <laughs> On ne peut pas vivre en Europe sans objectif, déclare Adam Suleiman. De là-bas, il attire l'attention des jeunes qui envisagent de venir vivre en Europe. Bon, le conseil que moi je peux donner à tout Nigérien qui veut venir en Allemagne, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire et qui es-tu d'abord dans un premier temps et quel est ton niveau d'étude. Puisque euh, vous savez que l'Allemagne est vraiment avancée sur le plan éducation. Donc euh, je peux dire que s'il y a quelqu'un qui n'a pas étudié et qu'il vienne ici, franchement, il va rencontrer beaucoup de difficultés. Pas comme nous autres qui ont un peu étudié, on, peut, on sait lire et écrire. Donc euh, je conseillerais aussi à tout Nigérien qui se décide de, quitter le pays pour venir à l'extérieur, pas seulement en Allemagne, donc d'avoir vraiment un objectif, et un objectif fixe sur lequel il va travailler. Entre ses ambitions pour l'Afrique et son quotidien en Allemagne, Adamus Lehman est un exemple de détermination et de résilience. Son parcours montre, malgré les difficultés, il est possible de réussir loin de ses soins tout en gardant un lien fort avec ses origines. Vous l'avez certainement compris, fidèles auditeurs, c'était un portrait réalisé par Akia Arimi. Tout à fait, Rookie. À présent, place à l'équipe femme du studio Kalangou pour leurs conseils sur les sujets d'actualité de notre vie de tous les jours. Oui, aujourd'hui, les femmes du studio Kalangou abordent l'épineuse question du kidnapping devenu une psychose pour les familles, notamment dans nos grandes villes. Écoutons plutôt. gano to shina irkoy beheri nanga ga diitaray hey sulay man irkoyse nimandiyaysee shina hajiya sondanadi alburfoka moto beirfora afrunda leediyan arwindora da shina ifur ne wahara borfo kan manta wani baba irkoy beri ay furara <laughs> la ilaha illallah gorgasin gorgasin matini kani irkoy ya begi dangay ga ciyese ifo no dunin bar fono diran dai izo ai izo falankiya kan gaise bar fo diran da shina ah, ah, ah, mate ai mun faham nigo ifo ga gwaifo dumira no nigo kalinin izo zai ifo no nigo gugune nibai aigwa hajiya hawa waiborai wani ginfuna nibai kan hukunno parti kama jiki wana waiborai marga koi ne mo parti o ginfuna gaba ka gir zure kula ne nan gihin ne windora tela gine ai koi no dini son kan ayye ga kamu ai ni keki benin da ganda ai mandiya inga nai goga sulaiha anai sai waina wai alborfono kaga sambu motara ai si babai barkanno <laughs> haifo hajara wallahi ni gwanda fundi bayi zan ka kai ni jiri gu izno ni ganan inga hinna windora ha wani wani lokaci wo kan ra igo dai zan kai zai inga nyangai bandai ra igo gi ha mai ha ni wo ga fatanim da ko cana inga hinne aba amante amon bate habu hinka albo fo yanka mota beri fora ina hanga sini fo garfon da bonga izo ha mai ina karno jina fa gani ni izo ha mai gaka akan baga hey dinga banin ma halga ka hunkuna isi bainan kan hara ifuran da kwaciya <laughs> hai boy ti ne ya dinga son mata nai gite ai siya ga dai izo noya <laughs> irkwai sai ni lakkalo kanandi da irkwai yarda kule gidiya asidarai nima <laughs> matakina gune sɔn fog win dɔga nim du a fo to fo yɛ nim ka irimu koi kɔmsi yegi ya igimu ci se imu foga ceciyara <laughs> i fono igi hiniga taise damanti maya hantum tira i bongana i siniga hai kul taise i siniga i doro safara ise <laughs> igi hinga te walla man ta hari kaina mu hari boba ni igi hinga te sɔn gune igi hinga fulu kwa i dan kango kwa ga waga imu furko cawo ceciyara walmo soge kango fugan ciyega i bon igi da mota kulkan go sa, kalima ferigidi halko ciya si mota ga koyni mo masidinye irgo alsilama yanno alfaga inir himgi cece im kogana cu da irko yagda kulirgidi ko ciyawo <laughs> to irin mu koi ai gunda shi wani foto yan ai wani kan basu sirora <laughs> Hajiya guna mota kan dirin da shi na ya aye ga ka alhamdulillah wane wa ababa kai na nome hey ai ne irkoi sabu hey amciya babu kai ne manta baba kai ne nin dai nim hagwai wallahi nim hagwai to son don da bofuno ne shi ne sambu don matan wani gite hmm, gorgasin wani se ni gani hanga ai ne hunkuna banda kira banda ai siye ga filla ai mai izo ingi windora hey a siye ga filla kwai ne dai gorgasin mantin hinno me wai bogbobu yanno na kan gidirgin gai izai na windora walmo nimu di zanka kaina kan go se i seppe walmo se en in mora ingi hinno no ko ekol ingi hinno no ga yega ka wal di ina don ton fo dai yan zari sanke na go kai to son dai mu barka koy dai ma gayi wane me amin amin sin hey manigo kaga di ai min da ngai bandara boro ai si lokal to ne harakara don ifo dai na gine ni baba <laughs> ni suna se kala ni ko ya hawa kwara kama jiki wai bogai wani jin fara hey eh, gwargasin ai ban guda bu fa hey da man tini gaba a mai gara inga kwara no hey hankan ni sibai bu asiba ba kaina amaji ai koi wai burawo kwara hey ai ban guda bu to lalle mu mu barka hey barka Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti du jour offert par euh, l'équipe femme du studio Kalangou. Poursuivons notre émission avec euh, la rubrique culture linguistique. Aujourd'hui, nous allons parler de la traduction et ça sera avec euh, Tarnan Ahmed Foudé dans la langue tamashek. Bonjour Tarnan. Bonjour Seno, bonjour Ruki. Traduction, c'est les mots que nous allons traduire aujourd'hui en tamashek mm-hmm. et je commence. seno traduction artoa soka inta inte fassar emosa tana cheta sana asagawara na sagawar na sagawar na dinita washtaru nations uni inta isna frana jil wonnes na tamran dukozante litime dagawata wan shingi mud maraw dassa الشي ولن جيل وان كدي وتنتلي تنسبتان بريق لجيل نفسر ميدا تراديكسيون انت ميرا يفسر ارتوا سوكا ادو تكلا واليا دغيا ناوال فيلا تو تفسر دغا واليا ارون كي غانت ول فيلا دزغر ونا غلا كلو انت جن شغلا ونفسر دي ارت يغوت نينا سوكا انكي سنا غوران قلدو فيلاز نورمالي يمتيرونا يمسدرغنا دغلا كلو uma kuwaas oo ka artoshtaawna fasarday wulen dhakhtaran channel khair antena gaasna dhineta imase dirgana chimase dirgan studio kalangu ardaadhoydhawanano dhaqajula noqora arsaqadnawan Merci Tarnan, fidèles auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir euh, d'amples explications en anglais, en Hausa, en germain, en tamashek ou même en fulfulde, n'hésitez surtout pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64 et nous allons écouter les messages vous envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana umar kwarai kauni masauraren shi ne ko da wani lokaci idan ka ga gaban saurare shi ba sai yan bani gida kuma muna jin daɗin wannan shirye-shiryen da suke da kowane lokaci to lallai ni abin da yake birge ni ciki sauraron shirin nan nasu ni a wuri na ma lokacin shirin yayi kaɗan eh saboda birgin da yake in son samu ne a samu ran lokaci a ƙara ƙaƙa ne amma duk kowane lokaci in dai studio kalangu ne in dai ina gida to in sha mu Allahu abin saurare na ne eh sani sha'ibu jigo sandika nan da kwaras wannan radio abin da yake bani shawa matuka yana jin daɗi saboda akwai abubuwa da yawa da ake yi cikin ƙasa ta wannan gidan rediyon nake jin shi ko mini ko mini daga sauran garuruwa don haka nake watan ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo duniya ma ko ina ta ji shi ba nan shiri mai mahimmanci ba kaman bisa harkan mata irin yadda ake waye musu kai su gane yadda al'amuran duniya suke taya kan sana'o'i ko kan taimakon wani kai da kai da sauran kuma biyayya ga mazajensu da kuma biyayya ga abokan zama wannan abin yana jin daɗin shi akwai kaman bisa ga hayo da kasuwanci na mata ko wani noman rani gandar-gandari da suke shiga su gidan wannan rediyon suna ƙara waye ma mata da mazaje kai ba abin da ke burga na kamar haka nan suna na alhaji bizu sarkin bakin birnin da kwarar studio kalangu dai muna sauraron ta kuma ta kayatar da mu kwarai tana waye mana kanu bisa wasu abubuwa da yawa surtu ra'ayin nan da suka yi na lahadi na asabar da wallahi yana birge mu kwarai kaga akwai wasu sensibilization da suka karawa cikin kanun kan mutane na harka shaye-shayen nan da yara matasa kayi bai da kyau wannan ya birge mu kuma yana kara mana kuzarin sensibilizar yara da jan hankalin yara da su daina ba wani ba alferi ba ba bai da cigaba ko alama kuma karkara wallahi suna gode mu wannan radio paske suna amfani da shi kwarai wasu abubuwa ma baka isa ne sai cikin wannan radio studio karangu mun gode na da eh, yarda Allah eh, babbar tashar birnin da kwaro yana gaida Alhaji Rabu Tabo president sandika transporter wajar Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs.

Minyalimini don Anani pull on Anani on Anani pull on Anani on Anani debo Anani on Anani debo Anani on Anani pull on Bikima Ani Bikam Bikima Abbasaligam Anani pull on Salmini Anani pull on Anani on Ayiri da debo da mejo Asejani wallahi moino Amoino kangido Allah Agidel kurko dinyala Awata yiki yaka yiki yaka da mejo tetai Pull on debo Amma nirima Oui, fidèles auditeurs, c'est que ce son pour les débuts de Eldem que nous allons prendre congé de vous sur cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ali Bunkela Ouseni l'Est et moi-même Top Draman. Et oui, à la technique, euh, c'était tout simplement Amina Hassan. Et de l'autre côté de l'édition, ça a été assuré par Moussa Hassan. Ne ratez pas l'actu de jeunes et tous à la fada samedi et dimanche à partir de 17h sur nos radios partenaires. Bon début de week-end à toutes et à tous.